initiative bi c'est une belle initiative. Vous savez que Médina, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés, dont l'hygiène. Mais comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'organiser une journée de propreté. Il s'agit d'offrir une politique d'hygiène à la population. Le gouvernement parce que si le président a décidé euh, de mettre en place un ministère en charge de l'hygiène, xamna une importance hygiène si nit xamna ni développement ndax nit ki mu pour envisager un développement envisager euh, la productivité au niveau de du pays. donc nous lo xamni ñun depuis ci goudi, euh, tous les membres de mon mouvement avec toutes les populations de la Médina nous ngi une 29 à titre de test et à titre symbolique parce que xam avons une rue 29 dafa une mosquée dafa un centre de santé donc nous avons un un symbolique nous commencé nous ñu ici. c'est une action qui va continuer ce que nous avons décidé c'est aujourd'hui par exemple euh, de recruter 10 jeunes de la rue Nous avons dit, il faut constituer une brigade de surveillance et d'appui aux populations en quoi faisant une avons une formation en rapport avec euh, le ministère en rapport avec euh, la commune et ñooñu dinañuy dugg si biir quartier bi si biir rue bi di sillonner kër yi di xool problème yi fii li ñu jàkkoonteel di essayer wut ay solution je pense que loolu c'est important formation éducation appui logistique parce que am na ay jumtukaay yoo xam ni population yi soxla nañ ko pour di assurer seen seen seen propreté ak seen hygiène. je pense que loolu yëpp dinañ ko tënk si ab document boo xam ni dinañ ko jébbal à qui de droit jébbal ko population pour que ñun ñëpp ñu ànd liggéey loolu comme je l'ai dit tantôt euh, ce sera le bien-être de tous mais par tous